Nigériens, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Salim Dja s'exprime. Vous vous rappelez certainement de l'artiste Ladies and Gentlemen sur l'émission Franco Aoussa. Il était avec nous, il a parlé de sa vie artistique, de comment est-ce qu'il a commencé la musique, de comment est-ce qu'il s'est retrouvé en France. Aujourd'hui, nous allons parler de ses œuvres artistiques sur l'émission Tout à Fada, version Franco Zarma. Salim Diapiter, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Ça va Yes, yes, yes, yes, ça va toujours, ça va toujours. Super. Et par la droite, on remercie. vous êtes kiffé à travers 45 radios aux euh, partenaires ici au Niger. Vous êtes kiffé aussi à travers le site du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Aujourd'hui, nous allons parler des œuvres de l'artiste en question. On va parler aussi de ce type qui a marché, qui continue à marcher, qui fait le buzz, qui fait l'actualité parce qu'on sait qu'au Niger, euh, on souffre du paludisme, hein, mais gravement. Alors, nous allons peut-être certainement euh, avoir euh, tout ce qu'il faut en hein, comme notion parce que l'artiste est aussi de l'humanitaire. Il vous l'a dit hier sur l'émission. Alors, Salim peter vous êtes artiste reggae man. Hein. Qu'est-ce que le reggae symbolise pour toi alors, le reggae, le reggae, c'est tout simplement la musique de tous ceux qui n'ont pas les voix. C'est-à-dire, c'est la musique des sans voix. Et le reggae n'a pas de détour, n'a pas de filtre. Le reggae appelle à la solidarité, le reggae dénonce. Le reggae, c'est la musique de tous. Et le reggae, aujourd'hui, de Salim Peter, est dans un combat de la lutte contre la pollution mhm. de la nature, mhm. l'environnement et aussi la lutte contre cette maladie dont le paludisme. Super. Donc le reggae, ce n'est qu'une musique engagée, c'est la musique du tout. Donc du coup, Salim Diaputer utilise ce canal pour conscientiser, euh, pour éveiller les consciences, hein, s'il faut appeler les choses ainsi. On a compris le message. Alors sur cette émission, on va parler de tes œuvres. Sur l'émission Franco Aoussa, hier, tu parlais de 2002, d'un tube qui a marché en cette année, de ton retour, euh, bien évidemment, euh, de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir le nombre d'albums ou le nombre de titres disponibles hein, de l'artiste Salim Japita Alors, tout simplement, comme je vous ai expliqué, le premier single c'était le message de guerre Après le message de guerre j'avais fait le premier album, Les Vautours. Et donc, après Les Vautours, il y a eu des singles, dont La paix au Niger. Et après La paix au Niger, il y a où j'ai fait appel à l'unité nationale pour qu'on puisse euh, finir avec tous les Isani. Après la paix au Niger, il y a eu Hold Up de pouvoir, mhm. qui est le deuxième album. Et le troisième album, c'est On va parler justement de ces tubes, on va parler bien évidemment de ces qui ont cartonné. On va parler d'abord du premier single. J'espère bien que l'artiste se rappelle euh, quand même du premier single. Eh oui, voulez-vous un acapella de cette chanson, Bien sûr, les fans oh, de Salim Diapiteur, les jeunes qui kiffent cette émission à travers le studio Kalangou, et quand même ils ont envie, euh, euh, n'est-ce pas, de kiffer et d'entendre la voix de Salim Diapiteur. Quoi de plus normal, l'artiste Le message de Dieu le message de cœur, le message de Dieu. écoutez le message de guerre le message, de, Jah. Ok, super. le, message, de Jah, Peter. Alors, Salim Jah Peter, c'était là le premier de la question de l'artiste, mais vous avez aussi parlé de paix et de l'unité nationale. Alors, paix et l'unité nationale, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce qui s'est passé aussi hein? C'est important parce qu'on sait que vous avez parlé de paix, vous avez parlé d'unité nationale. Alors, la paix. Et la paix au Niger, tout ça là, c'est tout simplement j'avais. et euh, C'était pendant le régime de Sanjar, mhm. qui avait des, soucis où euh, de tous les côtés, il y avait des marches, euh, les gens ne s'entendaient pas. J'avais sorti la paix e au Niger, mhm. où j'ai appelé le président à dialoguer mhm. avec tous les gens qui s'entendent pas, dont la rébellion qui s'était éclatée dans le Nord, si vous vous, rappelez. Super. Alors, Salim Diapito, nous allons aussi parler euh, euh, non seulement de l'unité nationale, parce que vous avez aussi, euh, d'une manière ou d'une autre, mené un combat donc, pour l'unité nationale. Hein. ensemble, on a, on, a, fraternisé avec toi, on a travaillé dans le but de progresser, parce que la division en question de ce pays, c'est fraternité, travail, progrès. Alors, on va parler de ce tube, on va parler de ce son qui cartonne comme pas possible. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Plus de 2000 morts hein, euh, du, paludisme. Et, quand on écoute Salim Diapiter, on retrouve un message positif. On va parler de. Alors c'est de ça qu'on va parler, Salim Diapiter. Alors j'aimerais bien entendre quand même la voix de l'artiste. Ça va certainement faire plaisir à tous qui kiffent cette émission parce que nous, nous kiffons ce son. Ok, d'accord. Et la jeunesse kiffe ce son. On se retrouve. Hein. Le message est clair et positif à travers cette chanson. Alors je voudrais la voir à Nakapela sur l'émission Tous ça' la Salim Diapiter. Et, d'ailleurs, je veux, je veux vous informer que eh, Toboro, c'était... Euh, euh, un des morceaux qui était euh, qui faisait partie de l'album Nature. Mhm. Et grâce à cet engagement de la lutte contre le paludisme et la, et la protection de la nature, mhm. et l'album Nature est arrivé troisième pour la victoire de la musique reggae 2018. Donc, euh, pour mentionner juste que c'est une des premières fois mhm. que le reggae nigérien arrive à cette, à cette dimension. Mhm. Et donc, euh, nous nous félicitons, nous félicitons aussi euh, tous les animateurs dont vous et les autres qui, grâce à vous, le peuple nigérien a pu écouter cette chanson Soboro. Bien sûr, bien sûr. Sabır sabır sabır sabır sabır Sabır sabır sabır sabır sabır Sabır Sabır sabır sabır sabır sabır Sabır Sabır sabır sabır Merci. Cela se va, bien sûr. Salim Peter, de Alors, merci en cas cela. Oui, Oui, Wikoza Merci Salim Diapiter pour la capella. Balance-moi le beat s'il te plaît, Salim Diapiteur. Merci. Non mais, tu m'as fait plaisir. Écoute Salim Diapiteur et on va finir cette rubrique avec un message. On sait que le Niger aujourd'hui est secoué par beaucoup de choses. Insécurité, coronavirus, paludisme et bientôt les élections. Alors quelle serait la prière du Père Jah la Je vais dire une chose et que l'Afrique est très bien. L'Afrique est très bien, et, mais nous nous sommes retrouvés avec des Africains qui ne veulent pas que l'Afrique aille bien. Je les appelle tout simplement à comprendre que les hommes passent mais nos nations demeurent. Donc, qu'est-ce qu'il faut Le message est passé. Ils ont compris. Nous allons continuer à faire nos actions à notre manière. On ne sera jamais découragé. On peut être déçu, mais on ne sera pas découragé. Je vais faire un vrai big up à la population de Liboré qui, par rapport au soutien du l'envoi du conteneur ont participé à leur manière. Je veux dire que nous allons étendre tout ça dans tout le mhm. à donner ce qu'il faut nécessairement aux différents centres de santé. Car il y a trop de maladies. Mhm. Vous avez remarqué, Dondi, vous me parlez du coronavirus. Mhm si nous ne savons pas si c'est la sanction de la nature ou c'est tout simplement une création de l'ordre. Mais on ne peut pas prendre des fous dans la tête d'un chauve. Il faut le chercher. Non. Et donc, les élections qui arrivent, uh-huh. si nous, Nigériens, nous avons décidé d'éradiquer complètement la haine et l'ethnocentrisme, le régionalisme, mettre la politique dans une autre vitrine pour l'observer, à savoir l'intérêt des personnes et de leurs biens, de la terre, nous allons y arriver. Merci Salim Diapiter. nous sommes de cette rubrique. Merci pour ce message très très positif. Big up à toi, bon vent à l'artiste, on lâche rien. C'était la machine, c'était Salim Diapiter depuis la France, c'était aussi l'équipe technique. N'est-ce pas, Mustafa Yuba, c'était aussi. vive le Niger, vive, le Nigérian, vive la diaspora. Et one love, je vous aime. Fraternité, travail. Big up. Yes, Yes,